le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio questions sur des sujets qui vous intéressent, on en parle tous les jours et c'est à cet espace d'échange, le forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Euh, si vous venez de nous capter, sachez que vous nous suivez à travers vos Radio, nos radios partenaires à travers les huit régions du Niger. Vous êtes en direct sur le studio Kalangou, les programmes se poursuivent 18h15 à Niamey et partout au Niger. Notre objectif être avec vous au cœur de vos préoccupations. Restez avec nous, ces 45 minutes de temps d'antenne. La musique et les chants constituent les principaux moyens d'expression des peuples à forte tradition orale. Le Niger, un pays riche dans sa diversité culturelle, la musique va au-delà de la distraction, elle devient un moyen de revendication, de dénonciation, mais aussi d'opinion des peuples. Le répertoire musical nigérien est culturellement riche. C'est un mix de différents rites locaux qui a connu pendant longtemps une timide évolution. Aujourd'hui, avec l'adoption de ce tard par la jeunesse du pays pour la conscientisation, le divertissement ainsi que la revendication de certains droits, on remarque une nette vulgarisation de ce tard. Il s'agira ce soir dans cette émission de musique moderne, les instruments de musique traditionnelle au Niger, l'émergence de la musique moderne et l'environnement dans lequel évoluent les artistes musiciens nigériens. Trois à retenir dans ce débat. Euh, nous avons donc Galiou Karim, Kamidoun, euh, un artiste, musicien, guitariste que vous découvrirez à l'instant. Maman Sani, appelé affectueusement Admoulmoula, il fabrique et joue le gourmi et le conservateur du musée des instruments du Niger, Aboubakar Garba dit Tela. Il enseigne aussi l'anthropologie musicale à l'école artistique et culturelle. Bonsoir, bienvenue à tous. Présentation Diallo Mariama Kenda. Nous avons donc en ligne notre artiste musicien Galiou Kamidoun. Monsieur Galiou Kamidoun, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, euh, vous êtes donc artiste musicien, vous jouez de la guitare. Euh, nous commençons par le nom de votre groupe. Le nom de, votre, de mon groupe, c'est Kilgesan, qui veut dire euh, les étoiles de Dune. Alors, donc, on va dire que c'est de la musique Touareg que vous jouez, c'est ça Oui, oui, je, je, joue la musique euh, Touareg. Alors, euh, comment. je, en fait, je joue. Je, mon groupe, c'est une fusion, les Touareg et Peul. on, chante en deux langues. on chante en deux langues. D'accord. Une fusion de, de Touareg et de Peul. Oui, oui. Alors, euh, dites-nous comment est-ce que vous, vous êtes venu à ce, à ce groupe euh, Comment et quand, à partir de quoi vous avez décidé donc d'être euh, un artiste musicien Bon, moi j'ai commencé à jouer la musique <clears throat> en 1990 ici à Niamey. Je suis artiste qui, je suis, j'ai pris la musique ici. J'ai commencé ma, tout ce qui concerne ma musique ici à Niamey. Et puis, euh, j'ai créé le groupe euh, Etran Shinatawa. Et, euh, qu'est-ce que ça signifie Etran Chinatawa, si je prononce bien Voilà. Etran Shinatawa, ça veut dire les étoiles du traditionnel. Donc, et après, on a commencé de faire des tournées mondiales, tout ça là. On a enregistré deux albums avec All Music Network. Et puis après, bon, avec les problèmes de technique, un petit malentendu. Mhm. Et après, donc, euh, après, j'ai euh, a le groupe. Donc, le groupe était cassé. Donc, euh, maintenant, j'ai créé le groupe à en 2008. Donc, en fait, mais toujours dans la même système à fusion, Touareg et Et c'est dans le groupe là maintenant qu'on est là, on joue quoi. Alors, on, reviendra tout à l'heure euh, pour que vous nous expliquiez quel type de guitare vous jouez et, les, paroles qui accompagnent euh, cette musique. Euh, je l'annonçais tantôt, nous, avions nos invités aussi qui sont à l'intérieur de ce studio. J'ai nommé Maman Sani, appeler affectueusement Admoulmoula, donc euh, qui joue qui fabrique et qui joue aussi euh, le gourmi. Maman Sani, bonsoir. Euh, bonsoir Diallo, bonsoir à tous les auditeurs. Alors donc, notre invité, le conservateur du musée des instruments du Niger, Boubacar Gaba, dit Tela, on le connaît tous sous le nom de Tela. Tela, bonsoir. Bonsoir Diallo. Merci d'être avec nous dans ce studio. Et Maman Sani, eh, le gourmi, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que c'est comme, instrument musical euh, ben, déjà, je m'excuse, on s'excuse vraiment de, ce retard, puisqu'on devait ici, être ici normalement déjà à 17h30, c'est ce qu'on s'était dit. Euh, ben voilà, bref, on n'a pas pu le faire. Il y avait la circulation et pas mal de choses là. Merci. Et donc, euh, du coup, on est là. Euh, Mais l'essentiel, c'est que vous êtes là. Euh, voilà. Donc, Alors, pour aller sur Gurumi, Gurumi est un instrument de musique traditionnelle nigérien. c'est un, donc, instrument de musique spécifique, on va dire, Aoussa et aussi un peu Peul. voilà, c'est un instrument qui est constitué, donc, que je fabrique d'ailleurs comme la plupart ou presque tous les, instrumentistes traditionnels euh, nigériens ou euh, en tout cas africains, quand on joue un instrument, en principe, on apprend souvent à le fabriquer avant de, de, de, euh, de, savoir en jouer. Ou en tout cas, pendant l'initiation, on, on, apprend à jouer avec le maître et après, à la fin de la formation, donc. on vous fait fabriquer votre instrument par vous-même. Et donc, du coup, je joue et fabrique cet instrument. C'est un instrument qui est composé donc d'une euh, des manche, c'est un cordophone. Donc c'est-à-dire c'est un instrument qui a des cordes, il a deux cordes. Et bien sûr, comme la plupart des instruments de musique euh, à cordes africains, c'est un instrument pentatonique, c'est-à-dire il a juste cinq, notes de musique. Et donc, euh, il est aussi constitué donc non seulement du manche et des cordes, mais aussi donc une calebasse qui est recouverte donc de la peau de varan. Voilà comment est constitue Gourimi. On ne peut pas le voir, euh, mais voilà, c'est comme ça qu'il se constitue. Alors, euh, Maman Sani, avant de, revenir euh, comment vous êtes arrivé à la musique, et nous avons, comme je l'ai annoncé, été là avec nous. Je rappelle qu'en plus d'être le conservateur du musée des instruments du Niger, vous enseignez l'anthropologie musicale à l'école artistique et culturelle c'est bien cela Oui. Mais ce n'est pas l'anthropologie que j'enseigne à, cette école parce que c'est un programme d'enseignement de l'éducation artistique. Et qu'est-ce que vous enseignez euh, La musicologie, c'est plus euh, les chants qui ont un niveau plus avancé. Par exemple, euh, il y a deux ans de cela, j'enseignais cette musicologie à l'INGS pour les élèves qui font deuxième et troisième année et au CFPM, ceux qui ont déjà une connaissance à la base de la musique, qui peuvent comprendre ce que c'est que l'anthropologie musicale. Alors, est-ce que euh, la musicologie, c'est ce que vous venez de dire, est bien connue des, Nigériens euh, Expliquez-nous, c'est quoi cette euh, discipline Effectivement, ce n'est pas bien connu des Nigériens. Même dans le milieu intellectuel, il y en a qui confondent que quand tu es musicien, tu es censé tout connaître. Or, la musicologie, c'est toutes les branches. Il y a au minimum 18 branches littéraires, scientifiques, qui, dans chacune de ces branches, il faut se spécialiser jusqu'au professorat ou doctorat. En ce sens, je parlerai du cas euh, de docteur, ce docteur Mamangaraba, qui a fait une branche euh, qu'on appelle l'ethnomusicologie. C'est une branche de la musicologie dans laquelle il s'est spécialisé jusqu'à son doctorat. Mais comme les gens euh, interprètent mal et sont des profanes de la musique, pensent que le docteur est censé connaître la musique scénique. Et c'est quoi la musique scénique La musique scénique, c'est cette musique qui se joue sur scène, telle que le fait aujourd'hui les tal national, les, les, les etc. Or, lui, il le fait c'est comme tout être humain. Tu peux avoir d'autres filières de loisirs. Donc pour lui, cette musique qu'il fait, il chante avec un groupe de la musique scénique, c'est juste un loisir. Mais sa spécialité, c'est un ethnomusicologue. Alors, euh, nous relançons donc euh, notre notre invité qui est toujours en, ligne avec nous, Galiou. Alors, euh, vous, votre particularité, c'est la guitare. Oui. Alors, euh, parlez-nous de, de, la guitare, de ce type, euh, de ce type, de ce type de guitare que vous jouez. Est-ce que c'est c'est, une guitare électronique De quoi il s'agit Bon, moi, je joue la guitare euh, comme je l'ai. C'est une, jouer, euh, une musique qu'on dit euh, chez nous, la hein, musique Choumar. Choumar À Choumar Allô Est-ce que vous nous entendez bien Oui, je, je, vous entends. Voilà. bien. Nous, on avait un peu de difficulté, mais là, c'est bon. Donc, allez-y, parlez un peu plus fort. Donc, la musique que je joue, c'est la musique qu'on appelle une style de, musique e, touareg. Et, puis, e, on joue avec des TND, et puis kalbas et c'est des instruments néo-traditionnels. Alors, comment est née cette musique euh, euh, à Choumar dont vous parlez parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est la musique authentique touareg euh, ou bien elle est, elle, est née récemment Vous savez, la musique touareg, la guitare, Bon, celui, lui qu'on joue, ça vient, si vous voulez, des de musiques de Tinariwen. Tinariwen, euh, c'est un groupe euh, très reconnu euh, malien. c'est les gens qui ont commencé à jouer la guitare, si vous voulez, Touareg. Mais moi, j'ai pris, j'ai écouté les cassettes, j'ai écouté des choses comme ça, on a à jouer la guitare comme ça. Donc, c'est à travers cette musique qu'on a appris à jouer la guitare. Et puis, comme ça, comme c'est dans notre style, c'est le style c'est le style qui est toujours lié à un instrument traditionnel kende. Ça, ça, ça rassemble. Donc, euh, on a gardé ce système de musique et puis on l'a mélangé euh, avec les instruments traditionnels, comme je l'ai dit tantôt. Ça, euh, ça, veut dire que vous n'avez pas été à une école, vous n'avez pas suivi de formation en, tant que tel, c'est ça Oui, oui, j'ai pris des, des informations. Moi, je suis, c'est là que vous parlez avec lui, elle me connaît, il connaît mon nom d'artiste, c'est Galitan. D'accord. Alors. Voilà, donc, euh, ça, ça, ma, ça, maman c'est Moi, je t'avais même pas donc, je, euh, j'ai suivi quelques. D'accord. Maman Sani, Maman Sani était en train de vous répondre. Nous allons donc lui donner la parole et puis revenir à vous euh, dans un instant. Maman Sani, euh, on va aller rapidement. Et le, le gourmi, euh, comment êtes-vous, ou bien à quel moment avez-vous décidé de, vous intéresser à ce instrument musical et pourquoi hum, ben, Disons que moi, je suis venu dans la musique à travers le genre musical hip-hop, donc le rap il s'est trouvé que donc avec mon groupe, c'était déjà dans les années 96-17. Donc avec mon groupe, on, s'était tout de suite intéressé aux instruments des musiques traditionnelles que qu'on essayait de fusionner dans nos rap. Euh, souvent même, on prenait des rythmes carrément traditionnels et on rappait dessus. Ou on invitait des instrumentistes traditionnels euh, traditionnels jouer dans nos rap, euh, donc avec les mix des DJ et tout. Donc avec le temps, je me suis rendu compte que bon, finalement, oh, j'invitais beaucoup de, musiciens dans ma musique. Des musiciens traditionnels et souvent très peu de modernes, mais beaucoup traditionnels. Et donc, finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre à jouer d'un instrument moi-même Et c'était ainsi que je suis parti au CFPM. J'ai rencontré, il y a un joueur de, de, qui s'appelle Maman Barka. Euh, vraiment complètement, complètement connu sur le plan national, en tout cas par rapport à cet instrument. Et donc, je suis allé lui demander que je voudrais apprendre à jouer cet instrument. Et donc, euh, il ne m'a pas forcément cru tout de suite euh, parce que j'avais déjà un petit bout, en tout cas, de carrière sans fausse modestie euh, dans le, sur le plan national quoi, par rapport à un style de musique bien précis, donc le hip-hop. Il ne pensait pas que je pouvais tenir. Mais bon, il a vu que j'avais de la volonté et tout. Et il a fini par comprendre qu'il ah oui, oui, c'est vrai, il est vraiment intéressé par cet instrument et il m'a aidé. C'est ainsi que donc finalement je joue cet instrument. Nous allons écouter Abdul Salam, euh, comme je le disais, un autre artiste euh, musicien, et il nous dira ce qu'il fait concrètement. que j'ai créé à partir du Tendé qui est un instrument traditionnel touareg, qui est un membranophone. Donc, euh, au lieu de dire joueur du Tendé, moi j'ai créé le, néologisme tendiste, comme le, le blanc, il appelle celui qui joue de la guitare guitariste. Moi je dis joueur de Tendé un tendiste. Nous sommes un groupe qui joue de la musique euh, moderne traditionnelle touareg. Alors, dites-nous comment vous faites. Expliquez-nous. On utilise euh, le les le anzat qui veut dire violon traditionnel. On utilise le, le qui est un mortier euh, qui est couvert d'une peau de chèvre tendre sur laquelle euh, de façon parallèle on, on pose des pilons ou d'autres tiges en parallèle sur lesquels on peut poser des sacs de 50 de part et d'autre pour tendre la peau ou bien faire poser ou permettre à deux femmes ou à deux hommes de s'asseoir de part et d'autre du, membranophone, du mortier. Alors euh, on joue là-dessus pour émettre le son. J'utilise les euh, le anzab qui est le violon. J'accompagne ça de asakalabo. calabot c'est on renverse euh, une calebasse ou une grande cuvette. On, la remplit d'eau, on renverse à l'intérieur une petite calebasse qu'on joue sur laquelle on, frappe donc pour émettre un son doum, doum, doum. Donc ça qui donne euh, le but fondamental. Puis les instruments euh, traditionnels euh, qui sont les, mains, parce que la musique touareg, on accompagne ça avec le erkas. Erkas qui veut dire applaudir, on, on joue comme ça avec les mains. Donc là c'est un instrument aussi en dehors de la voix, bien sûr, puisque en musique, on dit la voix humaine placée dans un ensemble est un instrument. Voilà les instruments traditionnels que je joue plus le kalangu euh, dans cette musique. ma particularité, c'est que à côté de la musique touareg que je joue, qui est la particularité de notre groupe, les tendistes, on joue le style tendé, on joue euh, le néo traditionnel karma avec euh, gurumi qui est un cordophone, un instrument avec deux cordes, et kalangu qui est membranophone. Donc il y a euh, un grand tambour et un petit tambour d'accompagnement. Abdul Salam, artiste euh, musicien, es Vous venez d'entendre tous ces instruments qu'utilise le groupe Tendis. que dire de, ces instruments Nous avons aussi le gourmi euh, et tous ces instruments vous parlent Effectivement, les instruments traditionnels parlent parce que l'instrument traditionnel en réalité représente un personnage. En ce sens qu'il est lié avec l'être humain comme un ça fait un seul ensemble. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres sont à la musique sans savoir, sans qu'il y ait un objectif même où ils vont. Or, la musique ou l'instrument de musique a des fonctions bien précises et déterminées. Ça veut dire que si on dit gourmi, on pense à une localité, une région particulière, à une ethnie Bien, le gourmi, généralement, c'est un instrument nomade, en réalité. C'est vrai qu'on peut penser à une région ou à une ethnie, mais moi, dans ma formation en tant qu'organologue, qui fait l'enquête et la collecte de ces instruments, je dirais tout simplement que le gourmi est un instrument nomade qui se joue pour des cérémonies accompagnées d'abord les jeunes, des jeunes filles ou des jeunes garçons, ou souvent même les jeunes garçons, euh, quand ils font la cour à une fille, c'est leur compagnon, ils font les dédicaces, la déclaration, tout, et tout ce qui s'ensuit. Et pendant la berge, au moment où ils sont seuls, parce que tout à l'heure je vous ai dit que c'est un instrument nomade, pendant la berge, aussi cet instrument les accompagne avec les bêtes donc, on pense qu'ils sont euh, dans la solitude là-bas, mais en réalité, non. Parce qu'ils communiquent. Et là où c'est miraculeux, il y, a des, il y a des bêtes, dès que, le, dès que le musicien ou le berger joue à cet instrument, partout où il se trouve, il va se, il va s'orienter vers son, son, son propriétaire. Un, un, moyen de communication. Entre le berger et, ses bêtes. et, nous avons aussi euh, euh Salam que vous avez écouté tout à l'heure qui a énuméré un certain nombre d'instruments, le tindé. Euh, euh, le tindé est aussi un instrument de, de, nomade ou particulièrement on dirait touareg. le tindé est un instrument particulièrement touareg. C'est un instrument qui généralement ce n'est pas un instrument qu'on trouve qui est là posé en tant qu'instrument, mais c'est un instrument qui se constitue selon la circonstance. Cérémonie de réjouissance populaire, baptême, mariage, euh, etc. Et c'est pendant ce temps-là que l'instrument, on le constitue. Et ce sont les ustensiles du ménage du foyer. C'est avec ça qu'on nous constitue chaque fois quand on aura besoin du temps de l'instrument. Donc on prend le mortier, qui y a dans la cour, les pylônes qui y a dans la cour et la membrane qui est la peau qu'ils utilisent à en ce moment-là doit être l'animal même qu'on a égorgé pour cette cérémonie nous, donc est toujours avec nous, je vous le rappelle, est donc guitariste, et donc un groupe mixte, Peul et, Touareg. Dites-nous comment est-ce que vous composez donc euh, les chansons au sein, de ce groupe, puisqu'on a euh, deux, ethnies, deux langues différentes. Euh, donc, c'est simple, hein, parce que nous, sommes tous des nomades, les Touaregs de Peul mais une culture euh, différente. Donc, euh, nous, les chansons qu'on chante, euh, on chante sur tête, On chante les chansons pour nos animaux, les chameaux, les vaches, la beauté de la femme. Et puis, on chante aussi sur la, le pâturage ou la chéresse. toutes ces choses-là, on chante ça. Donc, euh, avec les instruments euh, Touareg qu'on a, il y a un, autre instrument seul euh, qu'on appelle Akayore, qu'on a dans le, dans pied. Donc, uniquement ça, c'est le qui, qui joue avec ça, qui font la, la danse dans le son. Et puis, comme j'entendais tout à l'heure, il a dit, Tendé, et puis il y a et puis, euh, puis euh, comme il a dit tout à l'heure. Donc, euh, avec la guitare, mélange avec la guitare. Donc, plus les poésies traditionnelles et modernes. Moderne, ça veut dire les choses qu'on chante maintenant. Et on a des choses aussi pour les fans. On a des choses qu'on chante, des chansons traditionnelles, sans guitare. Ça veut dire on peut chanter, y compris complètement de, de, avec TLD et Asakalabou, sans les instruments euh, modernes. Et puis, on peut faire aussi euh, jouer la musique avec le guitare, solo, basse, accompagnement, et TND et Kalbas et Asakalabou. Donc, euh, c'est des choses qu'on fait, nous, qu'elles défendent. Alors, nous avons entendu parler plusieurs fois de et Tela c'est quoi euh, cet instrument Est-ce que vous pouvez plus nous le décrire pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit En réalité, comme Salam l'avait un peu décrit, c'est ça, C'est un instrument purement touareg, dont aujourd'hui, dans certains milieux aussi, son rail, on l'utilise pendant euh, les hannas, comme on le dit, parce qu'avant les hannas, dans les trucs, c'était avec. Euh, des bidons ou des tasses, des, grosses tasses que les femmes se réunissent à la veille du mariage, ils jouent pour la jeune mariée, on chantonne. Effectivement, euh, Salam l'avait décrit, c'est un instrument purement, euh, je, te dis, je vous ai dit Touareg, mais qui sert de grosse caisse à d'autres instruments, où souvent c'est les voix, où souvent c'est des instruments qui l'accompagnent, ou souvent ce sont des cordes comme le Hamzad qui l'accompagne, ou les applaudissements des, jeunes filles ou, jeunes garçons. Maman Sani, nous allons parler de la progression de votre genre musical. Euh, donc, vous étiez à un style complètement différent euh, du style que vous avez décidé donc euh, de, faire, jouer le, gourmi, mhm. hein, une musique traditionnelle et dites-nous euh, exactement comment cela s'est passé. Mais je crois d'abord qu'on va écouter un petit son, euh, un extrait de, cette musique avant de vous redonner la parole. vous avez reconnu sa voix, Maman Sani, et même si je l'ai annoncé auparavant, alors Maman Sani, on va y aller euh, rapidement. Et comment cela s'est passé euh, Donc, comme je le disais dès le départ, je, suis venu dans la musique euh, par le rap. <clears throat> comme la plupart d'ailleurs des jeunes de ma génération, c'était le rap était une musique qui a influencé ma génération et donc, euh, j'ai suivi le troupeau, on va dire ça comme ça. Euh, mais avec le temps, je me suis, j'ai senti que, euh, parce que j'ai eu la chance d'aller directement au CFPM à l'époque, déjà en 98, j'étais au CFPM, et donc de rencontrer, de voir les, les, grands musiciens du, du pays, de Niamey en tout cas. Et donc, nous les écoutions et donc nous avons fini par comprendre qu'il fallait que si nous voulions nous démarquer, si nous voulions euh, vraiment euh, avoir notre euh, propre, faire notre propre chemin, il fallait vraiment essayer de se de cultiver déjà <clears throat> notre connaissance de la musique, mais aussi surtout de peut-être de, euh, de passer par une formation. Voilà, de passer par une formation et particulièrement de se spécifier dans quelque chose. Donc c'était c'est ainsi que donc justement je le disais avec même mon groupe de rap, on faisait du rap, mais notre rap même à l'époque était particulier parce qu'on utilisait des instruments de musique traditionnelle, donc on faisait de la fusion et donc euh, après le groupe du rap, quand j'ai commencé à faire ma musique, personnellement, j'ai fait un album où c'est carrément, c'est presque traditionnel. Mais en tout cas, on va appeler ça tradit moderne parce qu'il y avait des instruments de musique moderne qu'on a utilisés et même souvent on a fait des jeux modernes. Euh, après cela, je, euh, après cet album, qui était pour moi un album d'expérimentation, d'expérimentation pour me démontrer à moi-même et peut-être aussi à, ceux qui connaissaient ce que je faisais que je peux faire autre chose que du rap et que de la musique moderne. Donc j'ai fait cette traditionnelle. Mais maintenant, après ça, on vient d'écouter une chanson qui est carrément une chanson de world, donc de musique de fusion. Et c'est là où que, c'est là que ma musique devait aller. Et je pense, c'est là, là où elle est arrivée, c'est là, c'est ce que je voulais qu'elle soit c'est-à-dire une musique où on retrouve les instruments de musique traditionnelle du Niger. Pas seulement parce qu'ils sont des, instruments traditionnels, mais des instruments de musique traditionnelle du Niger avec des instruments de musique moderne qui font de la musique d'aujourd'hui. Et qui se vend cette musique, elle se vend bien aujourd'hui Voilà, qui se vend, qui se vend bien, mais c'est surtout une musique qui, une musique qui reflète la couleur du monde aujourd'hui, donc la mondialisation, où tout le monde peut apporter dans la marche du monde. Et nous pensons que le Niger, comme l'Afrique, à travers nos cultures et nos musiques, nous avons quelque chose à apporter dans la mondialisation pour la bonne marche du monde. Alors nous venons de mettre le pied dans le plat euh, d'une question très importante qui est donc euh, la vente de ces musiques euh, nigériennes. Tela, quelle est d'ailleurs la préférence ici au Niger Est-ce que vous pensez que ces musiques tradis modernes ont du succès Bon, je d'ailleurs quelque chose à combattre par rapport à ça. Allez-y. Je ne suis pas d'accord qu'on me parle de musique euh, tradie, moderne, moderne, tradie. Ça, vraiment, ça me gêne. Je préfère plutôt qu'on parle de la musique folklorique ou qu'on me dise la musique contemporaine. Ce n'est pas parce qu'un instrument traditionnel est utilisé dans la musique associée avec des instruments modernes qu'on dit que c'est du niveau traditionnel. Mais Yusuf Ndour qui a fait ce grand succès-là, il utilise les instruments traditionnels. Alors, la, musique, vous avez parlé de la musique folklorique et de la musique, euh, la deuxième musique, c'était... Je dis la musique contemporaine. Contemporaine. Alors, la différence entre ces deux musiques Effectivement, il n'y a pas de différence. Quelle est la différence La seule différence entre la musique euh, contemporaine et la musique folklorique, c'est euh, les Occidentaux qui veulent faire une différence pour dire que à partir du XXe siècle, parce que la musique contemporaine avait commencé à partir du XIXe siècle. XXe siècle, c'est toujours la musique. Maintenant, dans le XXe siècle, il y avait l'émergence de cette musique africaine qui ne veulent pas associer dans la musique contemporaine, alors ils disent la musique folklorique. Maman Sani, vas-y c'est juste quelque chose que je voulais ajouter. Téla va poursuivre, oui? je voulais dire que, donc, euh, effectivement, c'est pour poursuivre dans la même logique que lui, quoi, pour dire que, donc, euh, dans la classification, et donc, à partir donc, du 19e siècle, il fallait, il fallait que, donc, les Blancs prennent en compte finalement cette musique africaine qui a du succès et que, donc, euh, on ne savait pas où la classifier et c'est pour cela que je pense, je ne suis pas à sa place, mais je pense que c'est pour cela qu'il parle, donc, de la musique contemporaine. Téla Or, qu'est-ce qu'on constate? Euh, la musique euh, qui, à l'époque avant le, le 19e siècle, c'était le blues, le jazz, le gospel, etc., et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'est des musiques qui ont une structure. C'est sur la base d'une structure, soit A, A, B, ou A, A, B, A, ou alors ne perdez pas de vue notre question. Est-ce que ces types, euh, ces gens musicaux aujourd'hui au Niger se vendent bien La réussite, à quel, je veux dire, à, quel point on peut dire qu'aujourd'hui cette musique-là, elle est, vraiment au top, quoi En réalité, ça se vend, mais elle a un problème. Le seul problème qu'on a aujourd'hui pour faire de la musique nigérienne un moyen de l'économie, c'est l'industrie culturelle. On a alors, vous, vous anticipez sur les perspectives pour remédier à une situation dont on n'a pas encore peut-être bien évoqué le nom. Euh, Abdul Salam, quant à lui, affirme que ses musiques se vendent bien, que ce soit ici ou ailleurs. cette musique, euh, elle est bien perçue parce que Aujourd'hui, un artiste nigérien peut faire salle comble. Les Nigériens consomment vraiment euh, la musique euh, traditionnelle et moderne. Vous particulièrement hein? Bon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on fait partie de l'élite, la musique euh, de ce pays. Et ce qui fait que Franchement, euh, on s'investit. Elle est bien prisée. en Afrique, on, s'est beaucoup déplacé. On a donné des concerts un peu partout en Afrique, aux États-Unis et puis <clears throat> et au Canada. Donc euh, actuellement, j'ai un best-of sur le marché canadien qui se vend bien. Un album de 16 titres. Et les paroles de ces chansons, la plupart du temps, euh, tournent autour de quel thème ah, Le thème de tous les jours, les thèmes de la vie, l'amour, la guerre, la paix, la beauté la beauté, la nature, puisque le tendé, par étymologie, vraiment c'est une musique euh, des grands espaces, du désert. Or, le désert est, par lui-même est une euh, beauté. On chante la beauté du chameau, et la danse du chameau, et la poésie touareg, on la chante. Tous les thèmes sont abordés. Est-ce que c'est vrai que euh, de, par sa, de son essence, la musique touareg était, était, était dans un, dans un domaine dans un cadre particulier Est-ce que c'était une musique pour accompagner les guerriers, pour, pour s'amuser lors des, des manifestations eh, Vous savez, la musique euh, touareg, moi je pense qu'on peut la classer en deux catégories. Le tendé, qui est une musique aussi vieille que la communauté touareg, puis le choumar, qui est une création récente qui a vu le jour au début des années 90, où la jeunesse désœuvrée était en rébellion. Il jouait de la guitare euh, dans le désert la nuit en utilisant un ampli qu'on peut brancher à une Toyota pour mettre du son et jouer. Idée de, de se remonter le moral. Et on, on compose des textes guerriers. Le Schumer qui veut dire étymologiquement chômeur. Donc c'est un style euh, qui est né avec euh, la rébellion. Donc ça c'est la création. Et bien sûr il y a le Hamzad où on n'utilise pas du tout le tendé, et c'est juste le violon qu'on joue, plus souvent joué par les femmes, joué par les femmes, et les hommes chantent avec euh, la femme qui accompagne uniquement, plus les, les Les mains. Les oui. Euh, c'était donc euh, l'artiste musicien Abdul Salam donc, euh, nous étions sur la qualité de ces, ce type, de ces deux types de, musique. On a tantôt parlé de musique tradie moderne dont Tela ne veut pas entendre cette expression, donc euh, de musique contemporaine ou de musique euh, folklorique. Voilà. Et donc, Maman Sani, cette musique aujourd'hui vraiment est-elle au top niveau? Euh, bon, euh, vous savez, là, ça, <laughs> c'est relatif. Hein? Euh, en tout cas, on ne peut que dire merci au public nigérien, aux Nigériens, de finalement consommer la musique nigérienne. même si nous savons que ça reste beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous savons bien que la plupart d'entre nous, artistes nigériens qui, sont, qui ont la chance d'être euh, connus par les Nigériens, nous pouvons remplir, n'importe lequel d'entre nous doit pouvoir remplir le stade général Sénoukounti. Mais il n'y a, jamais, a jamais un promoteur de spectacle qui est prêt à mettre, je ne sais pas, quand, il, quand ils amènent ou peut-être c'est quoi, c'est quoi comme budget C'est peut-être 70 euh, millions ou 80 millions. Donc il n'y a, jamais personne qui est prêt à, je ne sais pas, certainement avec, moins de, avec au moins la moitié de, de 70 millions, je peux remplir le stade. Abdeslam peut remplir le stade avec moins de 30 millions. La plupart d'entre nous, en tout cas, qui, sont, euh, qui ont la chance d'être connus et qui sont respectés, ils peuvent le remplir. Mais donc, parce que justement, on n'a pas, on n'a pas les, donc les entreprises culturelles nigériennes, quoi, qui peuvent, industries qui peuvent, qui croient aux, aux, artistes nigériens et faire des grosses productions dans les spectacles, euh, Maman Sani, hein, vous, évoquez là les difficultés. On va donc juste donner la parole à Galiou, euh, qui est donc en ligne, pour revenir sur ces difficultés. Galiou, donc cette musique aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'avis avec Maman Sani qui parle donc euh, vraiment de, ce qu'il y a vraiment des choses à faire encore pour que le peuple, que les Nigériens s'intéressent à, à ce que produisent les artistes musiciens nigériens Bon, moi, euh, à mon avis, euh, je crois que tout le monde connaît les, les, artistes. Elle connaît la production que les artistes amènent au pays dans le cadre de paix et dans le cadre de sensibilisation de tout ce qui concerne le euh, problème de, de, famille, je veux dire, tout ça C'est des artistes parce que nous, nous sommes des gens qui chantent sur tout qu'ils sont bien. Hein, qui arrange en fait la population Donc euh, vraiment, je veux dire que, à mon avis, il faut aider, faut aider les artistes. Il faut aider les artistes parce que nous, nous, on a que la musique. On fait que la musique. Donc la musique maintenant, euh, on a besoin, tout le monde sache qu'on a besoin de beaucoup de choses. Même si vraiment on marche à la musique, on fait des choses dans la musique, mais un terminé, il y euh, euh, tu comprends ce que je veux dire oh, Oui, là, euh, on va avoir le temps de, traduire tout à l'heure, mais je sais quand même que vous venez d'évoquer les solutions pour pouvoir remédier à ce problème qui est donc l'intérêt des Nigériens, plus à cette musique que fabriquent, que font les artistes musiciens. là. Aujourd'hui, euh, euh, avec le manque de financement, parce que c'est bien sûr ça, beaucoup de musiciens n'arrivent pas à produire sur scène. L'insuffisance d'encadrement et le manque de financement sont de véritables freins à la création musicale. Bon, ça c'est une réalité incontournable, même si on ne veut pas le toucher du doigt, mais c'est une réalité quand même. Euh, le, je dirais que le plateau même est vierge nous n'avons aucune entreprise ou des agences professionnelles dans ce cadre-là qui, sont sur le terrain, qui exercent pour que l'industrie culturelle soit vraiment le moyen de, l'économie. Or, on sait qu'avec la musique ou la culture, ça peut être vraiment un vrai moyen économique pour pas seulement les acteurs, mais aussi l'économie du pays alors là, il ne s'agit pas seulement de ces acteurs ou euh, des, consommateurs, mais aussi que l'État s'implique. Parce que quand l'État s'impliquera dans, euh, euh, le, volet, ça va vite partir et ça va émerger. Est-ce qu'il faut tout attendre de l'État, Maman Sani En réalité, tout à l'heure, quand je parlais de ce que, comment on appelle ça, euh, quand un promoteur de spectacle amène des vidéos ici et qu'il dépense 70 millions, je vais aller très rapidement parce que c'est important que je parle de cela, amène, 70 millions quoi, pour la, communication autant de communication qu'il faut, c'est normal qu'il remplisse le stade général. Mais c'est sûr que si on prend euh, la plupart des artistes nigériens aujourd'hui, en tout cas que les gens aiment bien, la plupart d'entre nous, je ne dis pas 1, 2, 3, 4, il y a la plupart d'entre nous qui, les gens aiment bien, ils peuvent remplir le même stade général avec moins, avec moins de 70 millions qu'on met pour l'autre artiste. Mais donc, je ne sais pas pourquoi, là, à ce niveau, les gens ne le font pas. Ça, vraiment, c'est une question que j'aimerais bien avoir la réponse. Euh, mais Maintenant, pour revenir au problème de, aussi en général, l'État. Les, les, non, je, n'attends pas forcément tout de l'État. Oui, parce que les artistes ont, tendance quand même à, beaucoup attendre de l'État. Oui, oui, parce que euh, on va aller, on va aller avec certains chiffres. Nous <laughs> savons que une année, quand je demandais, quand j'avais besoin de faire euh, un album, je suis allé au ministère. Euh, vraiment, je remercie le ministère quoi de m'avoir octroyé 500 000 et c'était un budget de 13 millions. Wow. <laughs> bon, c'est, je n'attends pas vraiment tout l'État. Je pense que ce n'est pas bien d'attendre tout l'État, mais l'État a sa quote part à faire. Par exemple, si aujourd'hui le statut de l'artiste est adopté, le, on appelle ça, la, la, loi sur la copie privée, qui est vraiment un frein carrément quoi, contre pour euh, un frein par rapport à la production des artistes, puisque nous savons que le CD ne fait plus se vendre. Bientôt, le CD, enfin, il est même en train d'être démodé, le CD. Et donc, euh, il faudrait bien que les artistes puissent, par rapport à leur production et la vente des CD, quoi, puissent pouvoir trouver euh, quelque chose ailleurs, une compensation. Et donc, si aujourd'hui l'État nous signe la copie privée quoi et que donc ça marche. Le statut de l'artiste est adopté. Je pense que nous déjà là à ce niveau c'est un effort que l'État aura fait. Mais nous savons aussi que par exemple dans ce pays le Niger hmm, mieux que dans la plupart des pays africains, vraiment en tout cas de la sous-région. Euh, à l'époque de Kunti, lui, il a fait des choses, il a, fait, il a créé des espaces de, de loisirs, en tout cas des, espaces où les artistes peuvent se produire, hum, en tout cas où les, les, les, les, artistes peuvent faire leur création. Et donc moi je pense que l'État dans ce domaine, dans le domaine donc des infrastructures, a fait des efforts. Maintenant, c'est certainement par rapport à certaines lois qui doivent protéger les créations. Était là, là euh, euh, euh, aussi. Hein, on, voit que le marché nigérien est inondé de musique étrangère. Et là, nous sommes à la fin de cette émission. C'est votre dernière tour, votre dernier tour de parole. Et, par rapport à cela, est-ce que c'est pas un frein aussi pour un frein dans l'épanouissement, l'évolution de cette musique nigérienne cet examen, je reviendrai pour clôturer sur un peu ce que Sani a dit. Mhm. Il a manqué quelque chose qu'il n'a pas complété par rapport aux responsabilités de l'État. C'est la formation. L'éducation est nécessaire. Et maintenant, pour clôturer, j'ajouterai que... 30 secondes. Pour que ça puisse marcher, il faudrait que l'État, en tant que tel, prenne toutes les dispositions juridiques et le mettre en valeur pour que ça puisse marcher pour la culture nigérienne. Maman Sani, euh, euh, c'est donc à ton tour, mais nous allons juste permettre à nos auditeurs d'écouter en, direct, on va dire peut-être en live, un bout de morceau de, ce gourmi. Ok. artistes musiciens qui joue et qui fabrique et joue euh, le gourmet. Donc, euh, nous allons vous quitter dans quelques secondes. Retenez que malgré le manque de moyens techniques, la production locale reste variée. Un secteur inexploité pouvant offrir d'énormes opportunités au pays, mais aussi à sa jeunesse en quête de débouchés. Galiou, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Maman Sani, merci également. Euh, Tella. Merci infiniment, fidèles auditeurs. Le prochain rendez-vous, ce sera pour demain avec le forum de la presse.